Monsieur le ministre de l'Intérieur, en charge du processus électoral, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, je m'excuse, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, mais vous êtes là en tant que candidat, je suppose. Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique et social, mon frère, monsieur le médiateur, mesdames, messieurs les chefs de parti, monsieur les présidents des confédérations d'employeurs, monsieur le secrétaire général ou le représentant des centrales syndicales des travailleurs, monsieur les chefs religieux, monsieur les représentants de la société civile, mesdames, messieurs les présidents d'organisations de femmes ou de jeunes s'ils sont présents, Mesdames, Messieurs les représentants des groupes socioprofessionnels, honorables invités, je vais devoir euh, faire un bref peut-être en, en Wolof pour ne pas, pour respecter le temps. Mais mon propos va être juste axé autour de la nécessité pour notre pays de maintenir le cap de la stabilité et de la paix, qui est le seul levier, je pense, pour une croissance. J'insiste parce que je préside modestement une institution tripartite, la seule du Sénégal, qui met, en présence en son sein le gouvernement, les travailleurs et les employeurs. Donc c'est toute la complexité du dialogue social, mais également c'est tout l'enjeu. Parce que nous avons éprouvé tous les mécanismes du dialogue dans notre pays grâce à un homme, à sa vision, je veux nommer son Excellence M. Macky Sall. Notre pays a connu plusieurs formes de dialogue politique, mais non institutionnalisé. Dans les pires moments de la vie politique au Sénégal, nous étions jeunes, mais nous connaissions ce que le ministre Ousmane Gom a dit ici. Nous l'avons vécu, nous étions des étudiants, des étudiants engagés. Je pense que Monsieur le Président le sait très bien. Et la Diouf qui a pris ici la parole le sait très bien. Tous ceux avec qui j'ai fait l'université le savent très bien. À l'époque, j'étais une des rares filles, j'allais même dire, du mouvement étudiant. Très extrême, dure en négociation. Mais aujourd'hui, j'ai la casquette du dialogue. Je pense que c'est un bel exercice, un très beau trajectoire parce que j'ai appris quand dans l'adversité, on ne peut rien faire. Dans l'adversité, on ne peut rien faire. Et Maître Abdelawad nous l'a appris. Qui fi, qui fi, Moi, personnellement, c'est avec lui que j'ai appris cette assertion. Sauvons notre pays. Aujourd'hui, L'image qu'on donne du Sénégal nous blesse, nous tous. Et je note avec beaucoup de satisfaction, Monsieur le Président de la République, que beaucoup d'hommes d'État sont aujourd'hui des candidats. Monsieur De Croix, nous avons fait le gouvernement, Gadjo, Monsieur Boun Abdeladjon, des hommes et des femmes, Madame Assom Diata, je l'ai aperçue tantôt, qui connaissent les rouages de l'État et qui n'ont pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas venus, il faut leur tendre la main. Le Sénégal ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Le président a dit jusqu'à demain. Président, may leen suba bu ñu bëggee parce que le Sénégal parce que quand jotaay bi dafa am ñuko man bu ma toogee ma xool sama gauche joos gis kilifa diine yi wax dëgg sama xol dafay sedd jaloog yépp am na fi dañ daan teew waaye bii ku ko fekkee ah dama ne yaakaar ne dinga nga si am sax tuyaaba yal nañu yàlla jàppale ba yàlla tàppoo xol yi ñu xam ne ñun suñu réew ñun ñoo ko mën a defar du France du keneen ak keneen ak keneen ngaa jox wax na ko Nous rek ñoo mën Sénégal man nag parce que xam ñu bëree ñu fi teew ñu langue majorité muy opposition waxtaan bi bu mu arrêté tey suba gannaaw suba lu ne man de di nuyu ñëpp di ñëpp di remercier président parce que au conseil dañoo gis ne yow yaa ko samp 2000 quatorze mu am nag ay góor ak ay jigéen ñu xarañ ñoo xam ne macha allah jàmm réew mi rek moo leen soxal looloo tax jotaay yu mel nii mënuñu manqué te lu ma fi wax rek dama ko tënk ak ñoom ñëw fii wax ko ndax ñu may seetaan bu ma waxul woon de sëñ Gueye te wër na yàlla laaju ma parole parce que président bu toogee

jërëjëf soxna si ñu ngi lay delloo ngërëm di la baal àq di ñaan sunu borom mu boole ñu ñëpp jéggal deux informations avant ñuy progresser